Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum des studios Kalangou. Au micro, Moussa Maman de la radio Sahara FM à Agadez, une radio partenaire de Studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble de huit régions du Niger grâce à un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires. Agadez, vous écoutez ce forum sur les ondes des radios Sahara FM et Nomad FM. Le forum d'aujourd'hui a pour thème 29 ans après les signatures des accords de paix, quelle avancée dans les renforcements de la sécurité dans la région d'Agadez. Le 24 avril 1995 ont été signés à Ouagadougou, au Burkina Faso, les accords de paix entre l'organisation de la résistance Touareg euh, Ora et le gouvernement nigérien sous la présidence de Mahaman Ousmane. Ces accords ont mis fin à une décennie de conflits armés dans le nord Niger. Plusieurs clauses sont ainsi sorties de ces assises, dont entre autres les découpages territorial, l'intégration socio-économique des ex-combattants, pour ne citer que cela. Qu'est-ce qui a été fait 29 ans après la signature Quelles sont les avancées dans les renforcements de la sécurité Et quelles leçons peut-on tirer Pour en débattre, nous avons invité Monsieur Idrissa Hamidan, il est ex-combattant et promoteur du Monument de la Paix. Monsieur Idrissa, bonsoir. Bonsoir. Monsieur El Conti Mohamed, il est porte-parole de l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme UNVP. Il est aussi ex-combattant. Monsieur El Conti, bonsoir. Bonsoir nous avons Rajia Azara Alitan, présidente de l'Association des femmes contre la guerre. Et nous avons aussi euh, Amodi Arandichou, il est ex-combattant et il est vice-président aussi du collectif des organisations de la société civile de la région d'Agadez. Monsieur Amodi, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, et Messieurs, bienvenue à ce forum. 24 avril 1995, 24 avril 2024, cela fait exactement 29 ans que les accords de paix ont été signés. Monsieur Amodi Arendichou, parlez-nous de ces accords de 1995. Salam alaikum, donc, euh, alhamdulillah, il y a eu euh, beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais il y a aussi autant qui ne l'ont pas été. Par rapport à ces accords, nous avons enregistré les intégrations des ex-combattants, un millier et quelques, dans les différents corps militaires, paramilitaires et dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, il y a eu des intégrations. Mais aujourd'hui, ces gens sont au bord de la retraite, s'ils ne sont pas déjà en retraite. Donc il y a eu cet aspect. Il y a eu des programmes et projets de développement dans les zones touchées par le conflit. Euh, il y a eu effectivement des cantonnements et l'État a bénéficié de beaucoup d'armements, des véhicules, des équipements de la rébellion qui ont été rétrocédés. Donc euh, aujourd'hui, euh, quelques années après, nous constatons que, euh, alhamdulillah, nous avons dans les différents corps des gens qui sont gradés, qui sont en poste actuellement et qui sont gradés et qui ont été intégrés au niveau de ces corps. Donc, il y a la décentralisation aussi qui est actés par les accords de paix. Et je rappelle que ces accords sont supranationaux. Ils sont au-dessus de la Constitution et ils lient tous les Nigériens. Aucun Nigérien ne peut revenir sur ces accords. C'est ce qui a été dit en tout cas en présence de l'Algérie, du Burkina Faso et de la France. Ah, monsieur Amodi, euh, qu'est-ce qui a été fait selon vous euh, ce qui a été fait aujourd'hui, euh, je ne peux pas vous le dire directement, mais il y a 1500 éléments qui ont été intégrés, à peu près. Et il y a des milliers d'éléments qui ne l'ont pas été. C'est ce qui a donné naissance à la seconde rébellion du MNJ. Parce que les gens étaient mécontents. Les accords de paix n'ont pas été exécutés comme il se doit. Même si nous, on se félicite quand même de ce que nous avons eu. Merci. Monsieur El Mohamed, vous avez combattu aux côtés de vos frères d'armes. qui représente cette journée du 24 avril pour vous Oui, je ressens que les, Nigériens se retrouvent autour euh, d'un sabre qui est enterré et qui est posté à l'envers, ça veut dire qu'il ne sera pas tranchant comme il faut, ça veut dire que les Nigériens, ensemble, ils ont enterré la hache des guerres, ce qui fait qu'ils sont très conscientisés après plusieurs années de conflits inutiles. Et même si ces conflits ont des raisons qui, se justifient, je pense qu'à un moment donné, quand les partenaires s'assoient et discutent autour d'une table, c'est qu'ils ont évalué l'importance que constitue euh, de rester ensemble dans sa patrie et vivre dans la diversité tout en se respectant. Selon vous, les clauses ici de ces accords ont été respectées Moi, je fais partie des personnes qui disent que les clauses ne sont pas respectées. Et pourquoi et, si je dis ne sont pas respectées, ça ne veut pas dire seulement du côté de l'État. Parce que en fait, quand il y a des accords, il y a un État qui s'engage à respecter des accords, c'est-à-dire à faire des, des faveurs, à revenir de sa décision par rapport à certaines choses qui seront négociées. Bien. Et encore, les pays médiateurs doivent parrainer les accords pas les laisser à eux seuls. Non. Ça, c'est le deuxième point important dans les accords. Le troisième point, c'est les personnes même qui sont censées protéger les accords, c'est-à-dire les, responsables des chefs d'État. Donc, tellement ce pays a été, je ne sais pas comment, diverti par la politique politicienne, que même les responsables des partis politiques ont légué la responsabilité de veiller à ce que chaque État respecte et poursuive ces accords dans le respect mutuel tout en interpellant les parrains de ces accords, c'est-à-dire l'Algérie et la France et le Burkina Faso, qui ne sont que des pays voisins avec lesquels on, encore on partage les frontières et le quotidien. Donc moi, je trouve que les accords devraient être poursuivis sur d'autres aspects. Pas seulement les intégrations des ex-combattants dans, les, dans les, corps paramilitaires. Par exemple, Par exemple dans euh, le social. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, quand ils sont revenus de ces accords, ils ont créé des agences de voyage les ministères leur ont autorisé les licences parce qu'ils savent le déserts, ils connaissent, ils peuvent prendre la responsabilité d'amener des clients et de les ramener dans de bonnes conditions. Ben, s'il y avait un appui ou des banques qui ont été interpellées par les autorités pour leur dire, bon voilà, il faut épauler ces jeunes, que ce soit dans le tourisme, l'agriculture ou le commerce, ça sera une intégration sociale. Ou bien les engager dans les différentes sociétés minières pour avoir des formations et, tenir même euh, la comptabilité de ces, sociétés minières-là, parce qu'il y en a plein dans ces régions et qui ne profitent pas. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il y a d'autres aspects sur lesquels euh, les gens peuvent trouver des bourses. Les responsables qui ont signé les accords de paix, les responsables des rébellions, peuvent toujours négocier qu'à une certaine limite d'âge, le même nombre ou deux fois le même nombre, puisque la population augmente, si c'est possible de faire une ouverture pour renouveler les corps, ce qui va faciliter les régions en les dotant d'attribution de quotas qui sont permanents, ils sont toujours là et c'est à leur choix d'aller dans les corps qu'ils veulent. Ça aussi, c'est négociable. Mais tous les responsables, je les défie tous, je les ai suivis, ils ne sont là que pour fêter la fête du 24 avril sans réellement traiter les problèmes à l'intérieur. Les responsables de quoi Les responsables des ex-fronts. Et l'État, comme il a trouvé qu'il ne s'en met pas, donc c'est pas à lui de s'engager. Donc voilà. Merci. Madame Azara Alitan, présidente de, l'association de femmes contre la guerre, votre structure est née peu après la signature des accords de paix. La sécurité est une réalité aujourd'hui de la région d'Agadez Il y a eu des accords, il y a eu des intégrations, il y a eu un certain nombre de, de clauses qui ont été respectées. Mais il faut se dire que par rapport aux intégrations, les gens ont pris de l'âge, ils vont à la retraite. Il n'y a pas eu de relève. Il y a des jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail. Et il faut les occuper pour avoir la paix. Parce que nous, nous avons dit que ce qu'il nous faut, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut vraiment occuper les jeunes. Comme je l'ai dit, c'est une réalité, mais il y a des actes isolés. Et il n'y a jamais eu de risque zéro, nulle part. Donc, ce n'est pas à Agadez qu'on peut avoir des risques zéro. Agadez est quand même une région qui a connu un certain nombre de rébellions, jusqu'à des rébellions, qui a connu un certain nombre de choses et qui est entourée aussi des foyers de tension. Moi, je dirais même que Agadez a beaucoup fait. Et ça, c'est par le concours de tout le monde. Vous savez qu'il quand il y a eu le démantèlement de l'État libyen, beaucoup de gens pensaient qu'Agadez, ça va s'embraser. Donc, est-ce à dire que les impacts et des accords sont là il y a eu des impacts parce que il y a quand même ces affaires d'intégration, il y a quand même eu la décentralisation, c'est aussi euh, un point important des accords. Il y a eu euh, les élections des conseillers régionaux, il y a eu les élections des conseillers municipaux, donc il y a tout ça là. Donc euh, vraiment, on ne peut pas dire que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de risque zéro. Il y a eu des choses qui ont été faites positivement, mais beaucoup reste à faire. Alors depuis un moment, le banditisme gagne du terrain. Quel constat faites-vous de, cette situation Moi, je pense que si le banditisme gagne du terrain, c'est parce que les jeunes ne sont pas occupés. Moi, je l'ai toujours dit. Quand on dit euh, lutter contre l'extrémisme violent, lutter contre ceci, contre cela, mais occuper les jeunes, les jeunes qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail, qui ont besoin de vivre, il faut les occuper. Moi, je pense que c'est là où se situe le grand problème c'est l'occupation des jeunes. Et puis, il y a un point, l'autonomisation économique des femmes, l'autonomisation économique, financière des femmes. Mais sur le terrain, il y a quoi Il n'y a rien. C'est devenu euh, le maquillage euh, des discours politiques. Même si c'est fait, c'est peut-être ciblé. Et il faut que ça soit à la portée de tout le monde. Et nous pensons que avec le nouveau régime, ça va être à la portée de tout le monde et ça va être dépolitisé. Alors, euh, merci euh, Haji Azara. Monsieur Idrissa Hamidan, vous êtes euh, le promoteur de ce monument historique euh, de paix. Est-il vraiment un symbole de retour de paix dans la région Merci Radio Kalongo de nous avoir donné la parole aujourd'hui pour nous exprimer par rapport à la situation sécuritaire à Gadez et encore pour nous pour un peu parler des accords de paix qui ont vraiment ce sont des accords qui ont que le Niger a accepté avec joie et que euh, les Nigériens sont très fiers de cette journée du 24 avril parce que c'est une journée mémorable, une journée de cohésion et de l'unité nationale. Euh, par rapport au site Flamme de la Paix, je veux un peu vous donner l'historique, un peu l'historique, mais pas tout à fait. Euh, après les accords de paix du 24 avril 1995, euh, il y a eu des accords additionnels qui ont eu lieu en Algérie du 21 novembre 1998, des accords de paix qui ont eu lieu au Tchad, en N'Djamena, le 28 août 1998, et ces accords, ceux du 95 et ceux du 97-98, ont abouti à la flamme de la paix. Et cette flamme a eu lieu le 25 septembre 2000 euh, par l'ex-président, le défunt le président Tanja Mamadou, ici à Gades. Euh, il y a plus de 1432 armes qui ont été incinérées de toutes sortes de calibres. C'est un symbole malgré sa situation actuelle. Parce que c'est déplorable aujourd'hui. Un monument historique qui est historique et qui a ramené, c'est grâce à ce monument qu'il a eu la paix au Niger. Parce que toutes les armes qui ont le pays, c'est là, là où ils ont été incinérés. Quelle proposition faites-vous Par rapport à ce site, je propose vraiment que l'État, que ce soit l'État ou bien les autorités régionales, puissent vraiment prendre ces sites, les rendre vraiment à vraiment même l'UNESCO, parce qu'Agadez était, comment dire, de l'UNESCO, patrimoine euh, de l'UNESCO. Donc vraiment, ces sites doivent être inscrits dans ces patrimoines. Hmm. Monsieur Amadou, on revient avec vous. Quelles sont les avancées à rester dans le renforcement de la sécurité par rapport à la sécurité, euh, au niveau de la région d'Agadez, c'est le banditisme résiduel. Hein. C'est le petit banditisme, euh, c'est ça qu'on note le plus. À part ces colonnes dont je vous ai parlé, qui doivent faire, euh, qui doivent avoir un traitement spécifique, parce que c'est des colonnes des Arawa tchadiens qui sillonnent cette région et qui ont un arsenal très important il y a des gens qui parlent de 18 véhicules, 20 véhicules. Et il s'est trouvé que beaucoup de véhicules des fils de la région d'Agadez ont été confisqués par ces gens-là. Et pas eux seuls. Il y a aussi des autres bandits, des petits bandits. Ont été confisqués par qui Par les bandits armés. Beaucoup de véhicules. Maintenant, euh, chaque fois que quelqu'un va en Algérie, il a la, peur au ventre parce qu'il risque à tout instant d'être arrêté, et fouillé, et, molesté même peut-être. Et on, peut même lui arracher des véhicules et le laisser en plein Ténéré. Peut-on parler des avancées dans le cadre sécuritaire Les avancées, euh, nous, euh, puisqu'il n'y a pas un mouvement armé qui qui est connu au plan national et qui revendique quelque chose, nous, nous pensons que ce banditisme armé la paix être endigué par les FDS. Si les FDS sont en nombre insuffisant, nous, nous avons beaucoup d'enfants ici qui ne font rien. On peut les enrôler et les équiper. Quelle proposition faites-vous pour le renforcement de la paix dans la région d'Agadez euh, La proposition, c'est qu'elle est faite à travers les accords de paix. C'est-à-dire dans ces zones-là. Tu ne peux pas amener quelqu'un des Gaïas pour te faire la sécurité dans les Ténéries. Ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son environnement. Nous, nous avons proposé au niveau des accords de paix de créer des unités spéciales pour s'occuper de la sécurité au niveau de la région d'Agadez et des autres régions, d'Ifa et Tawa. Voilà ce que nous avons proposé, c'est dans l'accord. Ça a été accepté au niveau de l'accord. Après, le, gouvernement euh, n'a pas voulu appliquer. On ne sait pas pourquoi. Ça, on pose encore la question. C'est un point d'accord qui est en suspens. Jusque-là. Oui, oui. Hmm. Jusqu'ici. Donc, nous, nous pensons que hmm. euh, le, Ténéré, le désert du Ténéré, il, est tellement euh, euh, euh, il est tellement spécifique que c'est pas euh, n'importe qui qui viendra faire la sécurité là-bas. Il faut les natifs, les, gens qui connaissent cette zone, qui sont nés là-bas, qui ont un certain nombre d'instincts qu'ils ont développés par rapport à vivre dans cet environnement spécifique. Donc nous demandons à l'État de ne pas avoir peur d'engager des, nationaux. Nos fils d'Agadez, c'est des nationaux. Nos fils de d'Ifa, c'est des nationaux. Nos fils de Tawa, c'est des nationaux. Et de choisir maintenant la forme de la coordination de ces armées-là à sa convenance. Mais le travail en tant que tel ne sera fait que, par, que par les fils de ces régions-là. Merci. Alors, euh, Monsieur euh, Mohamed, vous, vous êtes dans une structure qui assiste les nouvelles autorités dans la recherche de cette paix très chère pour la région, euh, l'UNVP. Pensez-vous que des avancées ont été arrêtées dans ce sens Oui, je trouve que depuis le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce sens que nous, nous avons pris l'engagement d'aider les FDS dans la sécurité et la défense. Mais euh, tout ce qu'on a fait du 26, euh, après le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait volontairement. Je ne dis pas que les autorités n'ont pas un peu aidé et tout, mais quand même, c'est-à-dire les, les, défis sont au-delà vraiment des moyens que nous avons. Il faut que l'État s'engage pleinement. On ne peut pas faire de la sécurité transfrontalière, mais c'est surtout ça qu'on fait. Et euh, ça nous demande beaucoup de déplacements, beaucoup de, ça nous met beaucoup dans les risques mais quand même, nous avons déjà entrepris beaucoup de choses avec les FDS. Nous savons qu'à un moment donné, ils auront confiance en nous et ils vont nous responsabiliser dans ces domaines. Sinon, c'est surtout le volet financier qui manque. En fait, l'État ne s'est pas trop engagé pour peut-être euh, euh, voir à quel degré on s'est engagé. Et je pense qu'aujourd'hui, sur, euh, sur la région, par exemple, si je prends l'exemple de la région, euh, bien que l'INVP, elle est presque partout aujourd'hui au Niger, la districture elle est implantée dans les pays, même à Tilaberi et même à Zender. Si je prends la région d'Agadez, sur les 15 communes, l'INVP, elle est installée et, les éléments sont déjà disponibles et travaillent régulièrement en permanence avec les FDS. Les résultats, on le connaît. C'est quoi le travail qu'ils font Le travail, c'est avoir un regard sur les espaces qui sont euh, d'habitude occupés par euh, les, colonnes des bandits, comme on vous dit. Les bandits armés grands. grand, quoi. C'est pas les petits bandits résiduels que même les motos donnent sur, entre Arlit et, Agadez. Non. On parle des Soudanais ou des Janjaouides ou des Soudanais du, Sud. Il y a le Sud-Soudan qui a des, des, qui ont fait les mercenariats à, l'ouest de la Libye. Et toute l'instabilité en Libye, c'est eux qui l'ont créé. Maintenant que le Haftar est venu sécuriser un peu, mettre de l'ordre, donc ils se sont retrouvés au Niger. Et l'ancien régime les a trop marginalisés, mais ils ont pris beaucoup de force avec les, les, les orpailleurs qu'ils détournent, qu'ils rançonnent régulièrement, et les voyageurs, notamment les migrants. Donc c'est une question très importante à laquelle les autorités ont pris l'engagement de s'atteler, et nous, nous les appuyons en permanence par les renseignements, par euh, notre disponibilité, parce qu'on va sur le terrain avec nos propres moyens pour faire les recherches de ces bandits et pour, pour pouvoir rassurer les personnes qui sont dans les alentours que l'armée nigérienne, elle est là pour les sécuriser et non pour les frustrer. Alors pensez-vous qu'il y a eu des avancées euh, Oui, je vous dis qu'il y a eu des avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées, puisque si vous avez compris la dernière fois, il y a moins de mois, euh, quand on avait bien souscrit ces, bandits-là dans la région euh, qui se trouve entre Chibarak, et autres, on avait compris leur plan, qu'ils voulaient attaquer en fait euh, le convoi qui amenait les, les, orpailleurs de Chibarak, à Arlit. Donc, ayant, étant informés à l'avance, nos autorités s'y sont bien préparées et ont amené un très bon résultat. Ça, c'est un exemple concret. Mais ça ne se dit pas. Oui. Quelle est votre contribution pour la consolidation et le renforcement de la paix Moi, je pense que les accords. Moi, je vais surtout m'adresser à mes frères ex-combattants. C'est-à-dire que je, suis même mal à l'aise, malgré que j'ai beaucoup attendu de ces accords de paix, parce que étant très jeune, j'étais dans la rébellion, la première rébellion et la deuxième. J'ai pris beaucoup de risques et le monde entier sait les risques que j'ai pris. Je ne les ai pas évalués, sinon je n'allais pas les prendre. Mais à un certain moment du Niger, euh, un moment où le Niger euh, ne comprenait, nous comprenait pas. Mais maintenant qu'on est sincèrement intégré, même si quelque part on est frustré par le comportement de ceux qui ne savent pas comment cohabiter dans la diversité, moi je, suis même mal à l'aise aujourd'hui d'attendre des accords qui changent ma vie. Moi je suis, moi le seul les gens diront que je l'ai fait en politique pour maquiller mes intentions avec le CNSP ou bien que pour, pour euh, séduire euh, les militaires. Non. Moi, mon combat qui vaille, c'est celui-là même qui m'a ramené, qui m'a amené, incité à aller à rébellion, c'est la souveraineté nationale. Donc, je me retrouve dedans. Je suis mal à l'aise d'attendre que des accords signés depuis 1995 me mettre en terre, en bon terme avec les dirigeants de mon pays et, me négocier quoi que ce soit avec les Nigériens dont je fais partie. Donc j'incite les Nigériens à se mettre ensemble, que cette étape, elle est faite. Triste qu'elle soit, nous vivons beaucoup mieux qu'avant. Et, et, dans notre diversité, nous nous comprenons. Et je pense que c'est intelligemment qu'on peut faire grandir ces pays intelligemment qu'on peut faire grandir ces pays. Voilà. Alors, euh, euh, Madame Azara Alitan, quelle est la place des femmes dans le renforcement et la consolidation de la paix Moi, je pense que les femmes euh, ont leur place. Effectivement, elles ont, leur place. D'abord, en tant que première éducatrice de leurs enfants, première conseillère du mari, du petit frère, elles ont un rôle à jouer. Deuxièmement, les femmes savent que les problèmes de sécurité, de paix, ce n'est pas seulement au niveau de nos FTS. Il faut que chacun apporte sa modeste contribution pour pouvoir consolider cette paix-là, que ce soit en renseignement, que ce soit à beaucoup de choses. Maintenant, à un moment donné, nous, en tant que femmes leaders de l'Association des femmes nigériennes, contre la guerre. Après réflexion, nous avons constaté que le plus grand problème, c'est la, la, comment on l'appelle, entre les FDS et la population locale. Parce que la population, les femmes, ont leur apport dans les cadres soit de la sensibilisation, dans les cadres aussi de, dans les cadres de renseignements et autres. C'est la confiance. Parce que à un moment donné, quand même, il n'y avait pas cette confiance-là entre les FDS et la population. Et nous avons fait en sorte que nous avons mené des actions de sensibilisation avec certains partenaires pour mettre ensemble les FSI et les femmes leaders. Donc, euh, on a fait en sorte de les mettre ensemble pour dire que vous avez intérêt à travailler ensemble. Vous avez intérêt à vous faire confiance les uns des autres. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, la région ayant connu des rébellions, quand il y a eu rébellion, certainement il y a eu du bavure, ce qui a amené chacun de son côté à se sentir euh, un peu. Euh, ces sensibilisations, là ont porté. Les ah, ces sensibilisations ont porté. Ont porté des fruits. En tout cas, elles ont porté des fruits. Mm-hmm. Parce que je sais que certaines choses ne, vont pas se, on va pas les dévoiler ici, mais il y a eu quand même beaucoup de choses dans ces cadres là Il y a eu des résultats Il y a eu des résultats. y a des résultats. Et positif. Et c'est positif. et ça, nous savons qu'il y a eu ces résultats. <coughs> Monsieur Idrissa Hamidan, eh, vous êtes euh, ex-combattant, vous êtes aussi promoteur de ce monument de paix. Quelles sont vos propositions pour la consolidation de la paix Donc, euh, mes propositions pour euh, la consolidation de la paix, c'est la paix qu'on cherche, c'est pas la paix qui nous cherche. Donc, il faut la consolider. Il faut la chercher là où elle est pour la concilier. Il ne faut pas que, euh, comme on l'a dit ici, chaque fois on parle de banditisme résiduel. Le banditisme résiduel, ça pour moi, ce n'est pas l'insécurité. Parce que l'insécurité, c'est le grand banditisme. Si on dit le grand banditisme, ça veut dire un mouvement. C'est un mouvement de personnes qui se sont réunies et qui ont formé un front. C'est ça qu'on appelle euh, l'insécurité. Mais les banditisme résiduel, les gens qui sont à moto, armés d'un klachnikov ou bien d'un pistolet, ça, vraiment, ça, on, peut en trouver partout dans les monde. Et il faut savoir que ce n'est pas un secret que les accrochages ou bien les, coupeurs de route, ça, il y en a ça partout. Hein. Il y en a ça partout. Donc, pour moi, vraiment, il y a diminué euh, un peu de l'ordre dans la, dans la sécurité au nord du Niger. Comment préserver cette paix chèrement acquise La préservation de la paix, de la, la conciliation de la paix, ça dépend de la jeunesse. Nous, on a fait notre temps, on a Donc maintenant, il y a des jeunes qui sont ambitieux, qui sont ambitieux de l'arme, qui sont ambitieux d'avoir de, de, euh, de, de l'argent fragile, facile plutôt. Hein Donc il faut les occuper. Il y a du travail, il y a des, des usines, il y a des sociétés minières, il y a des projets donc il faut vraiment insérer ces jeunes pour que vraiment qu'il y aura la paix dans la région d'Agadez. Merci, M. Idrissa Hamidan. Monsieur mm. Amoudi, enfin, donc, euh, nous sommes à la dernière partie. Aujourd'hui, après 29 ans de la signature des accords de paix, si des avancées ont été réalisées, il y a quand même certains points de blocage. Quelles leçons peut-on tirer La leçon, c'est que il y a eu euh, de grands manquements par rapport aux parrains, comme l'a dit le Conti tout à l'heure, les parrains de ces accords-là, l'État du Burkina Faso, l'État du Tchad, l'État du, de la France et l'État de l'Algérie sont interpellés par rapport à ces accords-là. Aujourd'hui, on peut les interpeller sur le plan international. Et c'est ce qu'on va faire. Euh, pourquoi, on va le faire Parce que euh, ils doivent avoir un œil sur euh, l'application des accords, du début jusqu'à la fin. Et du début jusqu'à la fin, ils ont été absents. Ils ont brillé par leur absence, du début jusqu'à la fin. Donc euh, maintenant, euh, quand il y a eu les accords de paix, il y a eu la création de la haute autorité à la consultation de la paix ça c'est une haute autorité qui va surveiller les accords, normalement. Mais entre-temps, en changeant de régime, en, machin, en cours de route, ils ont carrément changé d'objectif. Ils sont devenus comme une ONG qui met en œuvre des programmes, des projets, des machins, un peu partout. Ce n'était pas leur mission. Leur mission, c'est de faire le faire-faire, donc utiliser des ONG et associations pour faire les petits projets machin de réinsertion, des, petits projets d'appui pour les femmes, pour les jeunes, etc., dans les différentes zones. Mais leur principale mission, c'est de surveiller les accords de paix. Parce que ces accords sont supranationaux et que, euh, à l'article 7 et 8 de cet accord, ils ont été récemment violés par la décision du c'est un esprit de fermer les conseils régionaux en tant que structure, en tant qu'institution. On ne peut pas les fermer, mais on peut changer les hommes. Mais les institutions restent. Si tu touches à ces institutions-là, ça veut dire que tu as touché à des accords qui sont irréversibles. Normalement, tous les patrimoines matériels, humains, machin, doit rester en place s'il y a des problèmes, il y a une, euh, un changement à faire. C'est le, changement, il est politique. Donc, ce sont ceux qui sont venus, qui, ont été élus, qui vont s'en aller. Mais tous les personnels, tous les techniciens, tous les patrimoines restent. Aujourd'hui, nous, nous pensons que nous n'avons plus rien parce que euh, tout ce qui a été fait au niveau de la région comme euh, archives, machin, euh, ce n'est plus, plus sécurisé pour nous. Ce n'est plus sécurisé parce qu'on a même enlevé des techniciens qui savent faire les choses. On les a enlevés de, leur lieu de travail, ce qui n'est pas normal. La loi est là, et cette loi, elle est supranationale et elle lit tous les Nigériens. Ce n'est pas parce que euh, le CNSP a dissous la Constitution qu'il peut dissoudre un accord international qui a été fait et parrainé par euh, quatre, nations externes. Donc il y a cet aspect-là. Vraiment, je ne sais pas s'ils ont fait ça sciemment ou ils ont fait ça par méconnaissance des accords. Parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui nient que c'est les accords de paix qui ont acté la, la décentralisation. Et ça, je leur dis de lire les accords je les invite à lire les accords pour savoir que cette décentralisation, c'est le fruit des accords de paix. Et que euh, pour euh, être euh, en bon terme, en cohésion sociale, pour, vivre dans l'harmonie, dans l'unité nationale, nous avons besoin de cet accord-là. Il faut que les, différentes clauses de cet accord soient respectées par tout Nigérien, parce que ça lit tout Nigérien. Voilà. Merci. Et eh, monsieur euh, El Elkonch Mohamed, vous aussi, si, réellement il y a eu des avancées ou rester, il y a eu certainement des points de blocage. On peut tirer des leçons Il y a beaucoup de blocages. Si je, je regarde euh, pas seulement l'aspect qu'il vient de dire qui est très pertinent, je regarde l'aspect intégration sociale. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas eu des intégrations des cadres dans les mines, dans les sociétés comme la Nigéria, comme la SNE, des sociétés nigériennes ou bien des sociétés étrangères. Il n'y en a pas. Vous avez compris. Donc, qu'est-ce qui bloque Certainement pas du côté des ex-combattants ou de l'ex-résistance. C'est certainement du côté des dirigeants, des gouvernants. Maintenant, beaucoup des gouvernements se sont succédés. On en est à celui-là, et à celui-là, nous voulons bien dire, euh, peut-être nous voulons euh, donner comme contribution que pour préserver la paix et la cohésion sociale, il est très important de sursoir à certains, euh, sur les exclusions d'autres communautés par rapport à tout, dans les nominations, dans les attributions des marchés publics, dans la gestion de la région, dans l'armée, dans les FDS, dans la santé, dans tout, dans la diplomatie. Les gens aujourd'hui ils sont tous nigériens, ils sont au même titre d'égalité, ils ont les mêmes compétences et ils sont nigériens. C'est ça le plus important. Et cette nouvelle lutte qu'on vient de prendre, aucune communauté isolée du Niger ne peut la seule. Elle ne peut se concrétiser que si les Nigériens, dans leur, dans leur ensemble, s'y mettent. Et pour s'y mettre, il faut que chacun sache l'importance de l'autre et évalue son apport en tant que communauté, pas en tant que euh, région ou quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup d'ennemis. Nous avons des grands défis. Donc, pour que réellement cette paix reste, il va falloir, par exemple, occuper, comme euh, le disent tout le monde, l'armée d'abord. Nous savons que notre armée ne suffit pas pour contrôler tous ces pays-là. Le pays, il est très large. Maintenant, nous ne voyons pas par quel miracle D'autres communautés sont utiles à l'armée et d'autres ne le sont pas. Ça, c'est des pensées qu'il faut éviter. Il ne faut même pas donner l'impression aux populations de voir certaines choses. Aujourd'hui, je ne peux pas attendre d'un Touareg de la région d'Arlit qui puisse très bien maîtriser la zone du, parc du W. Non, pas plus que quelqu'un de Voilà l'intérêt. Et nous, on doit jouer sur l'intérêt. On ne doit pas perdre beaucoup de temps. Pour maîtriser des guerres, pour maîtriser une situation où le pays a des guerres sur ses frontières, il va falloir de la compétence. Et cette compétence, elle est dans les communautés respectives qui occupent ces espaces-là. L'armée doit, dans d'autres pays, par exemple, si vous prenez les Burkina Faso, ils sont déjà en avance. Ils ne sont pas une seule race, les Burkina. C'est plusieurs ethnies. Mais ils ont déjà intégré les VDP, l'option des VDP, qui apporte énormément de bons résultats et qui facilite au FDS de faire le travail. Vous voulez que ce soit ainsi au Niger Aujourd'hui, au Niger, on peut lui trouver une autre formule. Nous, nous avons d'autres options, mais il suffit que les autorités se décident à le faire, on est prêt pour le faire. Mais en tout cas, on préfère beaucoup mieux ça que d'autres euh, armées, si vous voulez, mercenaires, d'autres pays, que demain, on peut nous reprocher de les avoir amenés au pays. Voilà. Merci, monsieur El Concha. Euh, euh, Madame Azar Alitan. Alors, euh, vous, quelles leçons peut-on tirer Donc, certainement, il y a eu des blocages, si même il y a eu des avancées. Peut-on tirer des leçons et quelles sont les leçons à tirer Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a eu des blocages. Mais la plus grande déception, c'est au niveau des femmes. Les femmes, quand même, ont joué un rôle important pendant la rébellion, surtout la première rébellion. Mais elles ont été complètement oubliées. Ça, on l'a toujours dit, complètement oubliées. À un moment donné, celles qui se battent sont même devenues des adversaires à combattre. Ça, il ne faut pas avoir froid de le dire, quoi. Parce que c'est la situation que les gens sont en train de vivre. Je reviens sur, par, par rapport à la stratégie. Moi, je pense que, comme ils l'ont dit, la maîtrise du terrain dans le cadre de la sécurité est très importante. Et pour avoir la maîtrise du terrain, il faut vraiment que ça soit de locaux. C'est très important. Maintenant, les accords, il y a eu quand même des choses qui ont été programmées. Le renouvellement, le recrutement, les intégrations, les quotas, tout ça. Maintenant, on a peut-être des autorités qui sont pour la refondation et qui ont, qui ont pour objectif vraiment la sécurité, qu'elle soit assurée par les autochtones, par la patrie, par nous-mêmes. On pense que les gens vont penser à faire des recrutements, comme ils l'ont dit, dans chaque région pour pouvoir assurer la sécurité. Parce qu'il est très important la, maîtrise du terrain. Merci. Euh, Monsieur Idrissa, quelles euh, quelle leçon peut-on tirer euh, Bon, comme l'avaient dit mes, mes collègues, la, leçon qu'on devra tirer sur les accords de paix, vraiment, il faut que l'État applique les accords de paix. Comme, comme ça a été écrit et, comment, et comme ça a été vraiment recommandé. Les recommandations des accords de paix du 24 avril 1995, ce sont des accords qui n'ont pas été sur la table seulement. Ce sont des accords de paix qui ont été enregistrés actuellement avec euh, les, renseignements tu peux avoir tout ce qui est écrit dans les accords de paix. Donc, ce que nous demandons, nous, ce que nous n'avons pas compris, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est l'une des recommandations que vraiment nos chefs des ex-rebelles, avec les, autres États qui ont signé les accords de paix, c'est l'une des recommandations dont ils ont donné vraiment plus d'ampleur. Parce que c'est grâce à la, à la décentralisation que le Niger est devenu ce qu'il était devenu. C'est la décentralisation. Avec les conseils régionaux. Parce que les conseils régionaux, ce ne sont pas des petites structures, des petites institutions. Ce sont des grandes institutions et qui ont des projets, qui ont des projets à l'extérieur, qui ont des partenaires. Et ces partenaires, vraiment, ce sont eux qui financent. Donc, vraiment, nous voulons que l'État, le gouvernement du CNSP, prenne en compte les accords de paix et que vraiment, qu'il revoie ce que la, la dissolution de la décentralisation. Ça vraiment, c'est, euh, nous, prions, nous demandons, nous souhaitons que vraiment que le CNSP prenne en compte de notre forum d'aujourd'hui. Et non seulement nous, mais nous tous. Tous ceux qui ont pris les armes l'ont pris pour qu'il y ait la décentralisation. À moi de votre mot, dernier mot pour euh, une paix définitive mon euh, dernier au Niger. Mot pour une paix définitive. Au Niger. nous ici au niveau de la région d'Agadez et au Niger en général, nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons des potentialités euh, immenses en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de commerce, en termes de mines. Nous avons beaucoup de potentialités et nous avons des hommes euh, qui se disent sans travail. Euh, moi, je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés, vous allez m'excuser, les politiciens, vous allez m'excuser. Tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas scruté parfaitement les problèmes des Nigériens. Parce que c'est lui qui a suffisamment d'eau. Il a des hommes ils sont là, les hommes. Aujourd'hui, ils sont devenus un problème. Ils vont, ils font de la mendicité. Les hommes et les femmes font de la mendicité dans des autres pays. Au lieu de pouvoir travailler ici. Et euh, pendant ce même temps, il y a euh, des ministres, euh, des hauts placés au niveau du gouvernement qui détournent 200 milliards. Alors qu'avec 10 milliards, tu peux occuper presque la moitié des migrants qui sont ici à Grèce tu peux occuper la moitié des jeunes gens qui n'ont pas de travail. Donc il faut que l'État retrouve ses manches et qu'il mette du sérieux. Ah oui, du sérieux dans la recherche de la sécurité alimentaire. C'est la sécurité alimentaire, les, mauvaises conditions, des conséquences de la sécurité alimentaire qui amènent les gens à devenir, à devenir des, des bandits. De garder les bras valides et essayer euh, de développer les différents secteurs. Merci. Eh, Monsieur le comte, euh, votre dernier mot aussi pour une paix définitive euh, au Niger. Pour une paix définitive, c'est difficile. Mais quand même, on est optimiste. Si déjà, dans la décentralisation que j'ai remarqué tout au long de ces dix dernières années, il n'y a pas le transfert de compétences. Donc, elle est toujours restée pour moi à moitié. Maintenant, avec les nouvelles autorités, pour qu'il y ait la paix pour le Niger, moi, je, je demande aux responsables de tenir compte de tous les Nigériens, de, savoir d'abord que le combat qu'ils déclenchent dans, se, retrouve, se retrace dans un temps précis où nous avons des pays voisins qui sont, sur lesquels sont ouverts des fronts de guerre, d'autres des terroristes, d'autres des, des, des prébandiers du monde entier, c'est-à-dire des trafiquants ou des dealers des armes. Euh, donc, on a, si vous voulez, euh, beaucoup de menaces face à nos frontières. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que l'État soit en paix Il faut d'abord qu'on développe, qu'on sache comment développer le partenarisme entre nous, Nigériens, et qu'on essaie de mettre les Nigériens dans des conditions meilleures que ceux qui les ont incités à contester tel ou tel régime parce qu'apparemment, elle, elle reste toujours là. Il y a des gens qui, ont, qui sont connus, qui ont bien été impliqués dans beaucoup de, de, de, mauvaises gestions des deniers publics. soit on leur reproche euh, quelque chose ou soit on les arrête. Les Nigériens aiment la justice. Une fois qu'ils voient les gens jugés, ils croient. Ils croient à son pays et, et on peut espérer beaucoup de paix quand chacun de nous a la paix en soi. En fait, la plupart des Nigériens ont la paix euh, avec eux. Maintenant, dans les faits, il faut que quand quelqu'un a des problèmes, il faut qu'on lui rende justice. Quand un système est détourné, il va falloir le redresser convenablement pour que d'autres ne se permettent plus de le faire. Merci. Azara, votre dernier mot pour une paix définitive, durable au Niger C'est d'occuper les jeunes et les femmes surtout mettre l'accent sur l'agriculture, l'élevage et les maraîchages, C'est une manière de les occuper. Mon dernier mot, après, c'est de remercier euh, Studio Kalangu, parce que quand même, je fais partie de celles qui ont réussi tout récemment les témoignages de satisfaction ça me va droit au cœur et je, et je les remercie. Merci beaucoup, merci. C'est la fin de ce forum de ce soir euh, sur euh, les signatures euh, des accords de paix, quelle euh, dans les renforcements de la sécurité de la région d'Agadez. Donc on peut retenir entre autres de propositions de participants pour préserver cette paix, il faut unir tous les Nigériens ensemble et pour, pour, que, tout le monde s'y mette. D'autres choses aussi, la maîtrise du terrain, comme l'a dit Haji à, euh, il faut des locaux, des gens qui sont du terrain, des gens qui sont du terroir. Alors, merci beaucoup. Donc, euh, nous étions en compagnie de euh, Monsieur Idrissa Hamidan. Il est ex-combattant et promoteur du monument de la paix. Monsieur Idrissa, merci beaucoup pour votre participation. Euh, monsieur euh, Amodi Arandicho, il est aussi ex-combattant et il est aussi vice-président du collectif des organisations de la société civile de la région d'Agadez, COSCRAS. Monsieur Amodi, merci pour votre participation. Merci beaucoup, Kadungu. Monsieur Elkonch Mohamed aussi, il est ex-combattant et il est aussi le porte-parole voilà, de l'Union des Nigériens pour la euh, vigilance et le patriotisme INVP. Merci, monsieur El Mohamed. Merci beaucoup. Azara Alitan, la présidente de l'association de femmes contre la guerre. Merci, Hajia Azara. Merci aussi. Fidèle toujours au studio Kalangu. Merci. <laughs> Alors, mesdames et messieurs, merci et au revoir.